le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum Studio Kalangou, il est 18h15 C'est l'heure du forum au micro Hamadou Moumouni. Bonsoir. Les programmes du Studio Kalangou sont diffusés à Niamey, relayés à travers le réseau des radios partenaires dans l'ensemble des chefs-lieux des régions et des localités d'Arlit, Filengue, Birningaouré, Chirozérine, Magaria, Tamaské, Bouza, Dolbel et Saï. Au menu de ce forum euh, de ce 12 juillet, il y a la réunion de haut niveau ce matin à la primature sur l'état de mise en œuvre du programme Kandaji la réunion a regroupé tous les ministres en charge du dossier et les bailleurs des fonds. Ensemble, ils ont passé en revue l'état d'avancement des travaux du barrage de Kandaji. Dans ce forum, vous suivrez le haut commissaire au barrage de Kandaji, notamment sur la réinstallation des populations concernées par la construction de ce barrage, les engagements pris par les partenaires techniques pour financer cette construction et la synthèse de la rencontre dressée par le ministre directeur de cabinet à la présidente de la République, Oumoudou Mahamadou. Par la suite, nous ferons un retour sur la marche samedi dernier par une partie de la société civile pour soutenir les populations de DIFA et les forces de défense et de sécurité. Une marche diversement appréciée. Vous suivrez tour à tour Alios Samna, un des organisateurs de ce mouvement. Il va nous dresser le bilan de leur action. Puis Lamine Kidé, un ressortissant de DIFA qui vit à Niamey. Lui n'a pas participé à la marche parce que pour lui c'est une manifestation orchestrée par le pouvoir un mot sur le rapport mondial de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime au NDC, présenté le 23 juin dernier. Un expert de la CEDAO nous fera un commentaire là-dessus. Enfin, le lancement demain au CFM Taya de Niamey du nouvel album de l'orchestre Tal National. Vous aurez un avant-goût avec un des artistes. Oui, réunion de haut niveau ce matin à la primature sur l'état de mise en œuvre du programme Kandaji. Cette réunion a regroupé tous les ministres en charge du dossier et les bailleurs de fonds. L'idée, c'est de passer en revue l'état d'avancement des travaux du barrage de Kandaji. Je vous propose de suivre euh, tout de suite le haut commissaire au barrage de Kandaji. Il s'explique notamment sur la réinstallation des populations concernées par la construction de cet ouvrage. Pour rappeler que le programme Kandaji est un programme euh, au-delà de l'aspect national, a quand même un caractère euh, régional. Et quelque part, c'est un projet qui concerne aussi le Mali. Alors, dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, il est de bon temps que les deux États échangent un peu ensemble pour voir comment on peut aller de l'avant. En fait, quand on parle de recherche d'un appui, nous sommes partis concerter un peu la partie malienne, nos frères maliens, pour voir comment ensemble nous allons aller dans la mise en œuvre de ce programme. Parce que l'eau qui va, qui va être retenue, elle va impacter un peu dans le territoire malien il y a des populations maliennes qui vont être recasées. Il y a des, champs des, Maliens qui vont être impactés. Donc de la même manière que chez nous, il y, a, il y 40 000 personnes à déplacer. Du côté du Mali aussi, il y a des personnes à déplacer. Donc, il faut qu'on aille vers les Maliens. Et ça, déjà dans le cas de l'ABN, qui est notre euh, organe commun au niveau régional, nous avons déjà traité cette question avec tous les pays riverains parce que le fleuve appartient à toute la région et puis il y a des impacts quand quelqu'un travaille sur un. Dans le cadre de la vision partagée, nous nous sommes concertés pour faire ça. Mais maintenant, pour concrétiser, pour voir comment nous allons commencer à faire la réinstallation de ces populations au Mali-là, nous sommes allés discuter avec nos amis maliens qui nous ont confirmé leur volonté vraiment d'aller de l'avant avec ça et qui ont dépêché un ministre avec son équipe qui sont venus ici à Niamey. Nous avons travaillé avec eux pendant deux jours pour voir comment, sur le plan pratique, on va faire cette réinstallation-là. Et alors, euh, quelle est la procédure donc à suivre pour la réinstallation de ces populations ah, Alors, la procédure est un peu longue. Il faut d'abord commencer par recenser les populations, discuter avec elles, identifier des sites où on va les réinstaller, estimer le montant nécessaire pour les indemniser. Et tout ça, nous avons fait une feuille de route pour ça, pour dire comment ça va se passer une idée de cette euh, indemnisation L'indemnisation, pour le moment, c'est l'étude qui va être faite qui va pouvoir déterminer l'indemnisation. Pour le moment, je ne sais pas dire exactement quel est le montant de l'indemnisation. Il va falloir faire une étude et nous avons élaboré déjà les thèmes de référence. On va confier ce travail à un bureau d'études qui va aller faire l'exercice. Et parce qu'il faut, connaître le coût, déjà, il faut savoir combien de personnes exactement vont être déplacées. Et c'est à l'issue de ça qu'on saura exactement les personnes à déplacer. Des engagements ont été pris par les bailleurs de fonds par rapport à la réalisation du barrage de Kandaji. Êtes-vous confiant par rapport à ces engagements du côté de PTF Ça fait plus de dix ans qu'on est sur ce programme. Ah oui, on est tout à fait confiant. Des accords même ont été signés. Donc les financements sont disponibles. Même qu'aujourd'hui, le projet a pris un peu de retard à cause de cette question de résiliation avec l'entreprise russe, tout ça. On va dire que la question du même du décaissement, de consommation de cet argent-là qui s'est posée à un moment. Mais tout ça, nous sommes en train de trouver une solution maintenant par rapport à ça pour accélérer la consommation des crédits et faire en sorte que le projet prenne son envol. Il y a, c'est vrai que la question du, du financement de la réinstallation, nous n'avons pas encore le financement pour ça. Nous sommes en train de faire l'étude parce que pour que les bailleurs de fonds se prononcent sur un financement, il faut qu'ils sachent déjà combien ça coûte. Donc l'étude va commencer et euh, à, août. Elle doit durer 12 mois. Nous estimons qu'avant même la fin de ces 12 mois-là, quand le rapport provisoire nous sera euh, donné, nous allons organiser une table ronde avec les bailleurs de fonds pour pouvoir mobiliser. Mais d'ores et déjà, beaucoup de failles de fonds nous ont manifesté leur intérêt pour nous accompagner pour le, pour le financement de cette réinstallation. Alors, à quand la fin du barrage de Kandaji C'est pour deux ans, trois ans ou quatre ans alors, alors, euh, on a travaillé aujourd'hui, c'est vraiment la question que tous les Nigériens veulent entendre hein, et que ça concrétise. Vous savez, on a fait un chronogramme. Un chronogramme, c'est quelque chose de dynamique qui bouge, qu'on met à jour, mais Aujourd'hui, le chronogramme que nous avons, ah, si tout le monde, tous les acteurs jouent le jeu, tous les engagements pris ont été respectés. Et, ça, il y a des signaux forts par rapport à dans ce sens-là. Quand vous regardez l'agence d'abord, le, le le haut commissariat qui met en œuvre le projet, aujourd'hui, il est transformé en un EPIC, un établissement public qui va être une structure plus souple pour mettre en œuvre ce projet. Nous avons déjà recruté une assistance technique qui est venue appuyer le haut commissariat. Il y a une maîtrise d'œuvre efficace qui a été recrutée pour venir appuyer le haut commissariat. Donc la structure de mise en œuvre a été renforcée. Nous sommes en train de finaliser la mobilisation du, du par Le dossier d'appel d'offres pour le recruter les entreprises est quasiment prêt. Nous attendons la nouvelle version des bailleurs de fonds. Donc par rapport à ce, truc-là, on a fait un chronogramme et l'objectif visé aujourd'hui, c'est que 2020-2021, nous devons mettre le barrage sous eau, tourner les usines de Kandaji. Inch'Allah. Voilà le haut commissaire au barrage de Kandaji euh, ce matin à la suite de la réunion de haut niveau à la primature sur l'état de mise en œuvre du programme Kandaji. À cette réunion, il y avait, je vous le disais, les partenaires techniques et financiers, euh, dont M. Mouldi Tarhouni du groupe de la Banque africaine de développement BAD. Et selon lui, la réinstallation concerne environ 45 000 personnes côté nigérien et malien. Muldi Tarhouni de la BAD, l'un des 11 bailleurs de fonds, estime qu'il faut d'abord faire une étude complète pour avoir un nombre exact des personnes à indemniser. Je vous propose de le suivre. La réalisation de ce programme va engendrer à peu près le déplacement de 45 000 personnes autour du barrage et puis à peu près 1000 personnes dans le territoire malien. Donc les, des discussions ont été donc euh, très fructueuses entre les différents partenaires sur les procédures à suivre pour assurer cette réinstallation des populations sur les deux territoires maliens et nigériens dans les bonnes conditions et dans les délais requis. Ceci est jugé comme impréalable à la réussite de la construction de l'ouvrage lui-même, l'ouvrage du barrage. Nous savons tous que nous ne pourrons pas construire un barrage et le remplir avec de l'eau sans s'assurer que la population soit réinstallée dans les bonnes conditions. Donc les partenaires se sont donc engagés pour apporter l'appui technique et financier nécessaire au gouvernement du Niger pour cette phase cruciale des programmes. Nous avons dans ce cadre donc euh, convenu d'un chronogramme de mise en œuvre du programme qui commence à partir du mois d'août prochain pour faire les études donc nécessaires à la réinstallation des populations et une année après nous entamerons donc l'exécution proprement dite de la réinstallation et aussi du génie civil des barrages. Ces deux activités principales vont avancer en parallèle de telle sorte que nous arrivons à la fin à avoir une population réinstallée qui va nous permettre donc de remplir le barrage et de le rendre fonctionnel. Nous sommes mis d'accord avec la partie nigérienne et nous sommes très satisfaits de l'aboutissement de cette réunion qui va permettre à tout un chacun d'avoir plus de visibilité pour les mois à venir et pour les années à venir. Nous avons convenu donc que les années de l'année 2017 jusqu'à l'année 2020, ce sont les années de mise en œuvre de Kandaji. Et si tout va bien, euh, en fin 2020, début 2021, nous aurons un barrage rempli d'eau. Nous voulons vraiment exprimer toute notre satisfaction aujourd'hui de, l'ambiance qui a régné euh, autour de ces réunions et notamment de l'engagement de tous les PTF à la poursuite de leur assistance à la partie nigérienne jusqu'à l'aboutissement de, ces travaux et jusqu'à la mise en eau de ce barrage. Mouldi Tarhouni du groupe de la Banque, de la Banque africaine de développement BAD ce matin à la réunion de haut niveau à la primature sur l'état de mise en œuvre du programme Kandaji. Donc la réunion, la réunion a été présidée par le Premier ministre Brigitte Mais ici, c'est le directeur du cabinet à la présidence qui nous fait la synthèse de la rencontre. Ici, je vous propose de suivre donc le ministre Uhumudu Mohamedou dans des propos recueillis par Adama Dawachi. Au titre des points examinés, nous avons discuté de l'achèvement de la première phase de déménagement des populations, phase qui est actuellement presque achevée, ainsi que la préparation de la deuxième phase d'exécution du projet. Au titre toujours des points discutés, nous avons discuté de la question de la cote du barrage, parce que la cote euh, du barrage détermine la dimension de l'ouvrage et nous avons convenu qu'il faut faire le barrage à la côte de 228 mètres. C'est une côte qui permet de garantir un débit d'écoulement du fleuve à l'étillage euh, de 120 mètres cubes secondes au niveau de la ville de Niamey, également de 80 mètres cubes secondes au niveau de Malinville. Euh, ceci est extrêmement important parce que le barrage doit servir également à la régulation du fleuve. Pour euh, retenir cette côte, il y a eu des simulations à différentes euh, côtes euh, à partir de 221 jusqu'à 228. Et la côte 228 a été la côte qui a été retenue. Nous avons également discuté des questions de la sécurisation foncière, car il est extrêmement important que les paysans qui vont être euh, dépossédés de leurs terres suite à l'aménagement hydroalcool puissent avoir une compensation assez juste. Et c'est dans ce sens qu'il a été prévu qu'il leur soit accordé des terres suivant le principe du bail amphithéotique, qui est un contrat avec euh, l'État qui porte sur 99 ans maximum. Nous avons également discuté du financement de la deuxième phase du plan d'aménagement et de réinstallation des populations. L'étude va être lancée incessamment pour une durée de un an. Et à l'issue de cette étude, un certain nombre d'activités vont être entreprises dans le cadre de ce plan d'aménagement et de réinstallation des populations. C'est notamment tout ce qui est la réalisation des infrastructures sociales, les aménagements hydro-agricoles pour euh, compenser les terres qui auraient été immerger également les habitations, aider les paysans à, à s'installer dans les nouvelles habitations et dans les nouveaux villages. Nous avons également parlé de la coordination des différents bailleurs de fonds parce que c'est extrêmement complexe de gérer un projet comme Kandaji avec 11 bailleurs de fonds, chacun avec euh, ses procédures et ses règles. Et dans ce sens, euh, il a été recommandé qu'il y ait une coordination afin que les positions des différents bailleurs de fonds et leurs procédures puissent être harmonisées et faciliter les décaissements des fonds à destination des entreprises et de l'autorité du barrage de Kandaji. Nous avons enfin examiner un point extrêmement important qui est le plan de cohérence euh, du programme. Il s'agit euh, de voir les différentes activités à réaliser afin que le barrage puisse être totalement réalisé. Au titre de ces activités, vous avez la construction de l'ouvrage lui-même, mais il y a également le déménagement et la réinstallation des populations avant la mise en eau du barrage. Il faut que ces activités-là soient coordonnées. Dans ce sens, il a été prévu que la construction de l'ouvrage, l'appel d'offres, puisse être lancé dès novembre 2016 afin que les travaux puissent se dérouler sur une période de 55 mois. En même temps, comme vous le savez, euh, je l'ai dit tantôt, l'étude pour euh, l'aménagement et la réinstallation des populations pour la deuxième phase est engagée. Elle va démarrer le 2 août pour une durée de 12 mois et après cette étude, il y a la phase pratique d'aménagement et de réinstallation des populations qui elle-même aussi va durer trois ans. Donc il faut qu'il y ait une cohérence entre les deux phases. L'un dans l'autre, il est prévu que six mois après la réinstallation des populations, le barrage puisse être mis en eau. Voilà la synthèse de la réunion de haut niveau euh, sur l'état de mise en œuvre du programme Kandaji dressé par le ministre directeur du cabinet à la présidence de la République, Oumoudou Mamadou les propos du ministre directeur de cabinet à la présidence de la République, ceux du haut commissaire au barrage de Kandaji et de Mouldi Tarhouni du groupe de la Banque africaine de développement BAD ont été recueillis par notre reporter Adama Dawati. La suite de ce forum, le Conseil supérieur de la communication a mis en place ce hier matin du moins un groupe de travail chargé de l'examen des dossiers de demande d'autorisation d'exercice des services de radiodiffusion sonore privée et associatif. Alors, quelle est la mission de ce groupe de travail C'est l'une des questions que notre reporter, Laurent Ibrahim Gado, a posée au rapporteur du CSC. Je vous propose de suivre les explications de Isman, Ismaël le groupe de travail est chargé d'étudier les dossiers des requérants. Nous avons 27 dossiers qui ont été enregistrés donc au niveau du CSC, dont 10 dossiers de régularisation, 16 dossiers de création donc de services de radiodiffusion et un dossier de changement de promoteur. Ces autorisations concernent quels médias c'est des médias qui en ont fait la demande. C'est essentiellement des radios communautaires, c'est aussi des radios privées qui veulent euh, se créer et c'est un changement de promoteur comme je vous l'avais dit. Donc le groupe de travail aura pour charge d'étudier les dossiers des requérants, de s'assurer de la conformité donc des dossiers, de donner un avis motivé sur chaque dossier à l'intention donc de la plénière du Conseil supérieur de la communication et de veiller à la conformité aux normes techniques. Dites-nous monsieur Ismaël, quelle est la nouveauté qu'apporterait ce groupe À chaque fois, c'est notre mode d'organisation, notre mode de fonctionnement qui impose justement à ce que, avant que la plénière ne se prononce sur un dossier, qu'un groupe de travail soit mis en place pour examiner après effectivement euh, l'avis de la direction technique qui est chargée du dossier. Le mode de fonctionnement voudrait que quand le CSC e est saisi, par exemple à l'éthique et à la déontologie, c'est la direction du pluralisme, de la déontologie et de la publicité qui s'occupe de dossiers pour donner un avis. Ensuite, quand il y a un tas de dossiers, ils sont examinés au niveau du conseil de presse s'agissant de la déontologie. S'il s'agit, par exemple, des demandes comme celle-là, on met en place un groupe de travail dans lequel il y a des conseillers membres du CSC, des directeurs techniques du CSC, des personnes ressources auxquelles le CSC peut faire appel pour le besoin de son éclairage, pour le besoin de l'appréciation technique donc du dossier. Ensuite, le dossier, à la fin de l'étude, le rapport est transmis à la plénière du Conseil qui valide, qui approuve ou qui désapprouve donc le travail qui a été fait. Et c'est en ce moment que ça fait l'objet de décision de la part donc du Conseil supérieur de la communication. Donc ce groupe de travail là a dix jours pour examiner les 27 requêtes de création de radio, de régularisation, puisqu'il y en a qui étaient dans l'illégalité, qui demandent à être régularisés. Et justement, donc, ils ont introduit le dossier et nous allons statuer là-dessus. à la fin, donc le 21, normalement, le 21 juillet, euh, le rapport du groupe de travail sera déposé auprès du président du Conseil supérieur de la communication et à la prochaine plénière, donc, de la fin du mois de juillet, tout ce rapport-là sera examiné et validé. Il y a-t-il une somme à verser il y a bien entendu euh, beaucoup de critères euh, qui sont fixés par une délibération prise par le Conseil supérieur de la communication qui euh, voudrait que pour les radios communautaires, donc on verse des frais d'étude de dossier qui sont, je crois, estimés à 500 000. pour les radios internationales, donc les relais c'est à 1 500 000. Pour les radios privées, les radios privées, je crois, c'est 500 000 également. Dites-nous, Monsieur Ismaël, il vous est-il arrivé de retirer une fréquence ou de mettre en demeure certains médias Oui, il y a eu euh, des mises en demeure qui ont été faites puisque la délibération dit que quand vous êtes autorisé à créer une radio, quand nous délivrons, vous avez six mois pour exploiter. Donc au cas où vous n'exploitez pas, les fréquences sont relèvent du domaine public. Nous nous attribuons les fréquences et c'est l'ARTP qui est chargé donc de la gestion des, des fréquences. Donc nous délègue le pouvoir, puisque la loi dit que le Conseil supérieur de la communication donc attribue les fréquences des radios et télédiffusions à un champ, un spectre de fréquences qui a été attribué au CSC dans lequel donc elle délègue. Alors quand on ne parvient pas à exploiter, nous retirons. Quand on enfreint certaines règles, nous retirons. Il y en a certaines demandes qui ne satisfait pas du tout justement donc aux critères énumérés par la délibération, là malheureusement vous ne bénéficiez pas justement donc de l'autorisation de création de la radio que vous désirez. Monsieur Ismaël, qu'en est-il de la TNT alors, la TNT, donc, on euh, est toujours dans le processus. Malheureusement, le processus n'est pas à son terme au Niger et c'est pourquoi vous vous rendez compte que seules les demandes des radios sont examinées au niveau du Conseil supérieur de la communication. À ce niveau, il y a un bouleversement juridique puisqu'il y a un projet de loi qui a été introduit pour avis justement au Conseil supérieur de la communication et qui, dans le cadre de la TNT, prévoit des euh, de nouvelles chaînes de valeur euh, notamment donc au niveau de la chaîne de transport, de diffusion et les télévisions actuelles deviendraient tout simplement des réalisateurs de contenu. Donc le transport se fera ailleurs, le multiplex, la diffusion se fera ailleurs. Donc tout cela va faire en sorte que les fréquences actuelles qui sont très nombreuses vont disparaître pour se rétrécir puisque c'est ce qu'on appelle euh, les dividendes numériques en fait, la, réalité du fond, c'est que l'État voudrait au maximum faire des bénéfices sur les fréquences en les attribuant à d'autres secteurs beaucoup plus rentables, notamment les télécommunications. À ce niveau-là, le Conseil supérieur de la communication ne peut examiner, en attendant justement donc l'aboutissement de ce projet de loi, il ne peut donc euh, octroyer de fréquences pour les télévisions. C'est prévu à quand ce projet de loi Le projet de loi est dans les rouages euh, du gouvernement. Nous, on a fait notre travail, on émet des avis. La loi impose à ce que le gouvernement nous saisisse sur toute loi relevant du domaine de la communication pour avis. Et pour cette loi, je vous confirme que nous avions été saisis pour avis depuis plus d'un an. Le rapporteur du CSC, Ismaël Lawal Salaw, le CSC, le Conseil supérieur de la communication, qui a mis en place hier un groupe de travail chargé de l'examen des dossiers de demande d'autorisation d'exercice des services de radiodiffusion sonore privés et associatifs. L'Office des Nations Unies contre la drogue et les crimes, ONUDC, a présenté le 23 juin dernier son rapport mondial sur la consommation de la drogue. Ce rapport montre que le nombre de personnes décrites comme dépendantes aux drogues a augmenté pour atteindre plus de 29 millions en 2014 contre environ 27 millions l'année précédente. Quel commentaire faut-il faire du contenu de ce rapport Notre reporter Laorot Ibrahim Gadou a joint au téléphone le coordonnateur du programme de soutien au plan d'action de la CEDAO contre l'abus de drogue. Et depuis Dakar, chaque Touré nous dresse son analyse. On est présentement en train de mettre en œuvre un programme de support à la CDAO, euh, justement pour euh, doter de moyens et de techniques, de compétences les pays membres de la région pour pouvoir faire face à ce fléau. Qu'en est-il du euh, cas du Niger Le Niger est inclus faisant partie de la CDAO. De faire face à ce problème de drogue dans la région, et demander à la CDAO de développer un plan d'action pour faire face à ce problème. Et en 2010, un plan d'action a été élaboré qui était constitué de quatre piliers. Un pilier qui est pour faire euh, l'évaluation et le monitoring. Le deuxième pilier qui est confié à l'OMIGC, c'est le pilier épidémiologique pour permettre aux États membres de comprendre l'impact de l'utilisation des drogues pour pouvoir prendre les décisions politiques nécessaires pour euh, permettre au pays de faire face à ce problème. Le pilier dont s'occupe l'OMDC en ce moment, c'est le pilier centré sur la réduction de la demande. La réduction de la demande est très importante avec euh, un focus sur le traitement des usagers de drogue, euh, le traitement et la prévention pour permettre aux jeunes de l'Afrique de l'Ouest de comprendre un tout petit peu mieux le fléau de l'utilisation de drogue dans l'espace de l'Afrique de l'Ouest. Et le très important pilier, c'est le pilier euh, qui prend tout en compte euh, par rapport à l'application de la loi, le cadre légal et une introduction aux nouvelles techniques de police scientifique et technique qui pourraient permettre aux agences qui s'occupe de l'application de la loi de pouvoir faire des détections rapides des substances saisies aux frontières. Monsieur Touré, il y a-t-il des données concernant le cas du Niger Le Niger fait partie en fait de ce qu'on appelle la route sahélio sahélienne Des données constituées en fait à des données de saisie aux frontières. Hein. Et ça, c'est souvent votre euh, institution interministérielle de lutte contre les drogues qui donne ça. À cet effet, quel rôle joue le Niger par rapport au transit alors de la drogue si toutefois le pays est un pays de transit Et s'il ne l'est pas, alors quel rôle il joue réellement Ce qu'il y a, c'est que tous les pays de ces régions sont vulnérables. Comment On a de longues frontières, d'accord Et il faudrait voir pas le rôle du pays, mais l'opportunité posée par la situation géographique du pays par rapport à leurs échanges. Donc, premièrement, c'est l'opportunité qu'il y a. Vous avez de très vastes frontières qui sont très poreuses. Et souvent, il y a la route qu'on appelle la route euh, du Sahel qui vient un tout petit peu des côtes de la Mauritanie jusqu'à l'intérieur du Niger, en passant par le Mali, qui est utilisée par les anciens groupes de caravanes qui peuvent être utilisés par les narcotrafiquants pour faire acheminer leurs cargos. Ce que nous essayons de faire, et euh, ce qu'on a fait euh, il y a deux semaines au Niger, c'était de faire une formation des agents de répression qui se chargent de la lutte contre la drogue. Est-ce que la consommation de la drogue est étudiée au Niger Là, c'est un élément du projet qu'on aimerait poursuivre pour euh, justement rejoindre l'aspect épidémiologique dont on a parlé on manque énormément de données qui sont des données enregistrées dans la région sur l'impact de la consommation de la drogue. Quelles sont les indications Les indications sont là. Vous avez euh, beaucoup de saisies. Je vous inviterai même à consulter les rapports sur le Niger en ce qui concerne le nombre de saisies. Je pense qu'on vient juste de célébrer le 26 juin et le Niger a aussi célébré comme euh, tout autre pays euh, de l'Afrique de l'Ouest, leur succès par rapport à la répression et par rapport au saisie de drogue euh, dans le pays sont des indications qui montrent que non seulement il y a une possibilité de consommation, mais il y a un network, un réseautage qui se fait pour faciliter en fait le transfert de substances illicites. Quelles sont les drogues qu'on trouve au Niger et où sont-elles euh, produites De quel pays surtout elles proviennent À travers quel canot on a tout d'abord ce qu'on appelle le cannabis. le cannabis particulièrement trouvé un tout petit peu partout dans la région. Et il y a des centres de production beaucoup plus poussés peut-être euh, au Ghana, qui remontent vers le Burkina, et acceptent parfois au Niger, mais aussi il y a l'origine de cannabis qui est souvent produit euh, au Maroc et qui passe par la route du Sahel. La route du Sahel, c'est-à-dire en passant par la Mauritanie, le Mali, jusqu'au Niger pour enfin accéder euh, au marché euh, à travers la Libye, le marché du Moyen-Orient. Donc, euh, il y a le cannabis, il y a aussi les drogues qui nous viennent de la Colombie et du Brésil et qui transitent dans nos pays pour rejoindre leur marché de destination qui est en fait l'Europe ou le Moyen-Orient. Enfin, vous avez les opiacés tels que l'héroïne qui quittent parfois les pays de l'Asie de l'Est en transitant vers euh, les pays de l'Afrique de l'Est pour finalement être dans le marché des pays de l'Afrique euh, de l'Ouest. Où en est-on des saisies de la drogue Y a-t-il des indicateurs Mais Il y a des indicateurs dans chaque pays. Il y a des agents qui combattent ce fléau et qui enregistrent les saisies qui sont faites au niveau de vos frontières. Par rapport aux frontières, pouvez-vous nous dire quelles sont les voies de transport de la drogue Les voies de transport varient. Hein. Donc vous avez plusieurs types de méthodes. Il y a ce qu'on appelle les mules, ceux qui transportent les drogues dans leur corps et qui peuvent prendre des vols jusqu'à atteindre leur euh, destination. Hein. Il y a les shipments, c'est-à-dire euh, par voie de courrier. Il y a aussi des cargos qui sont organisés par voie terrestre, dans les voitures, dans les caravanes. Il y a beaucoup de moyens que ces gens-là des pour amener leur cargo. Et c'est justement ce que nous essayons de sensibiliser les États pour qu'ils aient en fait les techniques de détection et d'enquête pour déstabiliser ces réseaux de criminels dans la sous-région. Et ce que vous devez savoir, c'est que avec les déplacements dans notre région, ça favorise aussi le mouvement de ce type de trafic. Et il faudrait mettre en place euh, des systèmes de joint operation entre les différents pays pour pouvoir sécuriser les frontières et pouvoir partager les renseignements pour pouvoir déstabiliser euh, les crimes organisés dans la région. Dites-nous, y a-t-il un lien entre le trafic de la drogue et le financement du terrorisme, surtout au niveau du Sahara C'est une très bonne question. Il y a l'opportunité, définitivement, mais vu qu'il faut évidencer tout cela, je ne serai pas en mesure de confirmer ou d'infirmer qu'il y a un lien direct entre trafic de drogue et le financement du terrorisme. Voilà, vous venez de suivre euh, Cheikh Touré. Il est le coordonnateur du programme de soutien au plan d'action de la CEDEAO contre l'abus de drogue. Il nous a décrypté euh, le rapport euh, mondial sur la consommation de la drogue publié par l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, ONIDC. À 18h45, sachez que la coordination du syndicat des agents des collectivités territoriales du Niger Sakoten est en grève depuis hier pour cinq jours. Parmi les revendications, le paiement à temps des salaires de ses membres. Alors, s'ils n'obtiennent satisfaction, s'ils n'obtiennent pas satisfaction, les travailleurs de la ville de Niamey font savoir qu'ils marcheront de l'hôtel de ville de Niamey à la place de la concertation le jeudi prochain, les explications de Gati Ali, le coordinateur de la Sakoten, du Sakoten au micro de Tarnan Ahmed Foudey. C'est le non-paiement du salaire du mois de juin. C'est depuis le mois de novembre qu'il faut aller en grève pour avoir nos salaires. Bon, jusqu'à présent, ça continue. C'est par rapport à ça qu'on a profité pour déposer notre préavis de grève et citer quelques points qui sont en train de nous déranger. Pouvez-vous nous rappeler quelques points de ces préavis On a cité le non-paiement de la Caisse nationale de sécurité sociale, la prise en charge à l'hôpital. Il y a lait et salut qui les prix ont été été arrêté depuis les temps décennie jusqu'à présent, c'est le même prix qu'ils euh, retiennent. en tout cas, il y a plusieurs points je ne peux pas tout citer. Par rapport à ces points-là, nous avons remarqué, mhm. chaque fin du mois, les sacotins partent en grève. Il faut aller en grève pour avoir les salaires. Donc, par exemple, on a commencé en novembre. Après novembre, il a fallu faire plus de deux semaines pour percevoir nos salaires. Et ça aussi, il a fallu qu'on ait parti en grève. Donc, c'est ce qui se répète chaque fois. Il faut aller en grève après la fin du mois, deux semaines après, pour avoir nos salaires. Selon vous, qu'est-ce qui explique cette situation c'est le problème qu'on se pose aussi. On a tout fait pour savoir euh, ce qui fait ça, on n'a pas eu de, de résultats. Tantôt, on nous dit que c'est au niveau du trésor qu'il n'y a pas l'argent. Tantôt, on nous dit que c'est au niveau des finances. Nous, vraiment, jusqu'à présent, on veut avoir vraiment une euh, réponse pour nous dire clairement là où le problème, là, ça se cante pour qu'on puisse décanter ça. Est-ce que durant ces préavis, les autorités vous ont appelé pour des éventuelles négociations Jusqu'à présent, on ne nous a pas appelé. Nous, on a déposé un préavis de grève de cinq jours, prévu encore une marche euh, pour le jeudi 14. Et jusqu'à présent, ils ne nous ont pas appelés. Donc, c'est-à-dire après l'expiration de ces préavis, vous irez directement en grève Bon, tout dépend de ce que la base va décider. C'est pas au nom de la coordination ou bien au nom du BEN. Non, non, non. Nous, c'est la base qui décide. Je ne décide pas en tant que coordinateur. Euh, mon argent ne décide pas. La coordination, aucun membre de la coordination ni du BEN ne décide pas. C'est la base qui décide. Quel appel avez-vous à l'endroit de ces autorités dont ça fait longtemps aujourd'hui vous êtes dans un, un bras de fer en quelque sorte en tant que coordonnateur, j'aimerais assez qu'il nous appelle. On va parler pour asseoir euh, vraiment de simplicité. À chaque fois, il faut aller en grève là pour avoir son salaire là. Vraiment, c'est trop. De venir, on va s'asseoir. On est tous des musulmans. Prenez aussi la situation du pays. S'ils viennent, ils nous invitent, on va venir parler. Tant qu'il y aura une conversation, il y aura toujours une entente. Ça, c'est clair. Mais <laughs> venir c'est rester sans rien dire, sans nous appeler. Et il a fallu même, euh, cette semaine, on avait écrit une lettre d'ouverture de négociation. Jusqu'à présent, ils nous ont rien dit. Vous voyez, c'est trop. Selon vous, pourquoi les autorités ne vous appellent pas On n'en sait rien. En tout cas, moi, je ne sais pas. Je ne connais pas le pourquoi. Merci, monsieur Ali. Je vous en prie, monsieur. Gati Ali, le coordinateur de la coordination du syndicat des agents des collectivités territoriales du Niger, Sakoten. Le Sakoten est en grève depuis hier. Il réclame principalement le paiement des salaires de ses membres. Retour sur la marche de la société civile pour une partie de la société civile pour soutenir les populations de DIFA et les forces de défense et de sécurité. C'était samedi 9 juillet dernier. La marche a été organisée un peu partout dans les régions du Niger. Et euh, alors, quel bilan faut-il tirer à la suite de cette marche Notre reporter Mokhtar Hamadou a tendu son micro à Elio Samna, un des organisateurs qui nous fait son bilan. Cette marche que nous avons hier organisée c'était euh, une marche que nous avons organisée à Niamey et également à l'intérieur du pays. Cette marche, vous l'avez suivie avec nous, a vraiment drainé pas mal de camarades. Nous avons vu des les acteurs de la société civile, des, des étudiants et puis vraiment de l'ensemble des couches donc euh, socio-professionnelles de notre pays. Au niveau donc du comité de ces organisations, euh, nous avons tiré un bilan vraiment tout à fait satisfaisant eu égard à la mobilisation au niveau de Niamey et à l'intérieur donc du pays pour nous, c'est un devoir. D'ailleurs, c'est plus qu'un devoir pour tous citoyens euh, de pouvoir, à ce moment critique de la vie de notre pays, au moment où une partie de notre pays, à savoir DIFA, est confrontée véritablement à ces difficultés, euh, de rappeler aux Nigériens et aux Nigériens leur devoir de solidarité. Donc pour nous, euh, la solidarité doit être une solidarité agissante, solidarité que nous avons euh, euh, éprouvée à travers la manifestation et solidarité également à travers notre contribution donc aux populations donc de DIFA. Et vous l'avez donc suivi, nous l'avons annoncé, nous avons contribué à la hauteur de 1,5 million euh, pour ces populations. Monsieur Aliou Assansamna, est-ce que la mobilisation d'hier a été largement à la hauteur de vos attentes Nous sommes totalement satisfaits. Et vous savez, les mouvements, c'est-à-dire les actions de rue, les marches, comme on les appelle, ne pouvaient pas drainer tout le monde. il faut que les gens euh, comprennent que l'essentiel c'était quoi C'était de montrer la solidarité autour donc euh, de ce fléau qui est l'action de Boko Haram et nous, nous étions arrivés vraiment à mobiliser autour de nous euh, un certain nombre donc euh, de nos concitoyens qui avaient vraiment battu le pavé et qui ont fait preuve de solidarité. Au niveau donc vraiment de notre regroupement, nous sommes tout à fait satisfaits de ce mouvement. La mobilisation, elle a été à la hauteur pour nous au niveau de Niamey et également donc euh, au niveau donc euh, de l'intérieur du pays. Vous savez, dans cette manifestation que nous avons eu à faire, il est extrêmement important de le dire. Nous, nous sommes deux parties de toute formation politique. C'est des acteurs de la société civile, c'est la société civile en tant que telle qui s'est mobilisée et qui a eu à faire ce mouvement. Euh, ce n'est pas comme tempête et tambour autour donc des formations politiques que ce soit au niveau du pouvoir ou de, l'opposition, mais nous avons demandé à ce que les uns et les autres autour de la société civile eh, puissent manifester donc notre solidarité. Et vous l'avez suivi avec nous. Vous pouvez juger cela à sa juste valeur. Nous estimons que nous sommes totalement satisfaits. Satisfaits du mouvement de Niamey, satisfaits du mouvement de l'intérieur du pays. Nous avons fait le bilan et pour nous, euh, c'est une action qu'il faut encore euh, reprogrammer. C'est des actions qu'il faut maintenir. Il faut maintenir ces soutiens de façon à ce que euh, les populations de Difa et également les forces de défense et de sécurité sentent que les Nigériens euh, sont avec eux. Difa n'est pas un problème des habitants de Difa. Difa n'est pas un problème du gouvernement, Difa n'est pas un problème de l'armée, mais Difa est un problème de tous les Nigériens. Ali Hassan Samna, que répondez-vous par rapport à ceux qui pensent qu'il euh, y a le politique qui s'abrite derrière votre manifestation Je suis désolé. Si les gens euh, parlent comme ça, c'est parce que les gens ne sont pas sincères, ils ne sont pas sérieux. Et moi, je, vous le dis humblement, nous, au niveau donc, euh, euh, que ce soit au niveau de la cause ou des autres acteurs de la société civile, nous faisons les actions par conviction. Et il y a au Niger, malheureusement, c'est là que nous avons des gens qui se permettent de critiquer et qui critiquent toujours négativement et qui ne sont jamais en mesure de pouvoir sortir pour agir, soutenir. C'est ça, c'est un devoir pour les Nigériens. Euh, je voudrais juste vous rappeler que euh, lorsque nous avons eu à faire la manifestation avec Alternative, moi j'ai été dedans, je fais partie des acteurs, je fais partie des animateurs de cette marche. Il y avait des mauvaises langues qui avaient délai pour dire que c'est l'opposition. Voilà, Alio Samna, il fait le bilan de la marche euh, de la société civile, d'une partie de la société civile organisée le samedi dernier. La marche du samedi dernier, il faut le dire, a été diversement appréciée. Par exemple, euh, Lamine Kidé est un ressortissant de DIFA qui vit à Niamey. Il n'a pas participé à cette marche car pour lui, il s'agit d'une manifestation orchestrée par le pouvoir. Il le dit au micro de Mokhtar Hamadou du fait même euh, de son organisation et même du contexte dans lequel nous sommes, euh, étant ressortissants de la région, j'ai jugé utile de ne pas participer à cette marche. Parce que pour moi, euh, il ne s'agit pas d'une marche en soutien à la région de Difa, mais c'est une marche organisée par un groupe qui vraiment veut se faire, en tout cas savoir sur le plan national et international, et veut redorer son image de, en tant qu'acteur de la société civile. Mais en réalité, c'est pas pour, à cause de la région de Difa. Vous pouvez nous dire un peu la situation au plan sécuritaire et humanitaire qui prévoit actuellement La euh, situation au plan humanitaire et sécuritaire à Difa est connue de tout le monde. La situation est chaotique et catastrophique. Imagine une région comme Difa. À Difa, nous, on n'a pas l'habitude d'aller rester quelque part ou bien chercher l'aide humanitaire ou de l'aide à l'État. Non, les gens travaillent là-bas. C'est des agriculteurs, c'est des éleveurs, c'est des commerçants où, depuis des années, les gens ne comptent même pas, c'est l'État. En plus forte raison, des associations caritatives. Mais imagine, aujourd'hui, en 2016, les gens, nos parents se trouvent au bord du goudron, disent au merci de quelques ONG où ils donnent des, des, boîtes de sardines et des biscuits. Imagine, étant ressortissant, je suis écœuré, je suis en tout cas très mécontent par rapport à ce qui se passe dans la région de Diffa. Région de plus, la mine pour euh, euh, participer à la marche citoyenne euh, du soutien au FDS, au forces de défense et de sécurité et la population de Diffa. cette marche, ce qui m'a poussé à ne pas participer, il y a eu une marche bien avant ça, le 4 juin, qui est organisée par l'Alternative Citoyen. Une marche où ils n'ont mobilisé aucun moyen financier. Ils ont juste, demandé aux gens de sortir pour soutenir DIFA. Cette société civile a sciemment boycotté ça parce qu'ils pensaient que il y a un groupe de société civile qui est favorable à l'opposition et un groupe qui est de la majorité. Donc ils ont un peu politisé cela. S'ils avaient sorti le jour là, nous, on saura que ces gens-là, ils sont là pour DIFA, ils plaident la cause de DIFA. Ils ont attendu, ils ont fait ça. Et maintenant, pour éviter les critiques des gens, donc l'alternative à organiser, donc il faut nous aussi qu'on organise quelque chose pour DIFA, pour que les gens demain ne nous accusent pas de ne rien faire pour DIFA. Donc on a vu un peu le côté politique de la chose, et on a vu que nous, on ne peut pas échanger la, la situation qui se passe à DIFA pour la politique, on ne peut pas échanger pour l'argent, on ne peut pas échanger ça pour faire plaisir à quelques individus. On a vu que ça n'a rien de contribution. Imaginez les fonds que les gens disent qui a été mobilisé pour organiser ça. Cette somme-là, s'il a été envoyée à Difa, les gens vont s'habiller. 1000 t-shirts pour distribuer à des jeunes qui n'ont jamais vu même Difa à Niamey. Ces t-shirts-là, s'ils avaient envoyé ça à Difa, les gens vont s'habiller. Il y a des gens qui n'ont qu'un seul complet, qui lavent la nuit et ils remettent ça euh, la journée. 36 millions. Les gens parlent de 36 millions. Cette somme-là, si, la terre été à Difa, les gens auront quoi manger dedans. les gens sauront qu'il y a un groupe qui est en train de les aider. Mais juste pour des objectifs propagandistes, les gens ont fait des, affiches modernes avec cette somme-là. Voilà, vous venez de suivre euh, un citoyen ressortissant du DIFA qui vit à Niamey, Lamine Kidé, qui n'avait pas participé à la marche organisée par la société civile euh, samedi dernier. Il a expliqué au micro de notre reporter le pourquoi. Et nous terminons avec un peu de musique pour, euh, pour dire que l'orchestre Tal National a un nouvel album, a euh, un album de 15 titres. Le lancement aura lieu demain au Centre de formation et de promotion musicale, le CFM Taya de Niamey. Alors, un avant-goût avant de, de, de revenir demain avec beaucoup plus d'explications sur ce nouvel album. Un avant-goût avec l'artiste Masaoud. haba haba haba hargai masunya hargai masusunya, sunya hargai ce ga zanya hargai haiza kulanya hargai donga wai mano hargai masunya masusunya, sunya zibonya wambai toto voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à la même heure et aux mêmes fréquences. Bonne soirée à tous.